Mesdames, Messieurs, auditeurs et auditrices des programmes du Studio Kalangou, bonsoir et ravi de vous retrouver ce soir sur ce plateau pour le forum du Studio Kalangou, Bakimbo El Mustafa à la présentation. Dans le forum de ce soir, nous allons nous intéresser à la question des pratiques des jeunes pendant le mois de Ramadan, les petits cadeaux offerts par des jeunes à leurs euh, copines, à leurs copains euh, dans le mois de Ramadan, origines et difficultés. Débuté depuis le mardi 13 avril 2021, le mois de Ramadan, mois de jeûne et de dévotion pour les musulmans, est une période pendant laquelle le recueillement au cours de laquelle les musulmans n'ont pas le droit de manger, de boire, de fumer, de s'adonner à certaines pratiques telles que les relations sexuelles, de l'aube qui correspond à l'heure du secours jusqu'au coucher du soleil qui correspond à l'heure de la rupture. Pendant cette période, les fidèles musulmans multiplient les actes de bienfaisance pour les proches et au-delà ces pratiques de bienfaisance s'observent également chez les jeunes célibataires qui apportent du sucre à leurs copines, à leurs copains et à leurs beaux-parents en début du mois de Ramadan. Et vers la fin du mois de Ramadan, il y a qui se verront obligés d'acheter des habits de fête à leurs copines. Ne pas satisfaire à ces petits gestes peut causer souvent des ruptures entre les couples ou bien des mésententes entre, dans les relations sociales. Alors, quelles sont euh, les conditions dans lesquelles la jeunesse a accueilli le mois de Ramadan 2021, euh, quelles sont euh, ces différentes pratiques, quelles sont leurs significations et quelle est leur origine, est-ce qu'ils ont une origine religieuse, comment la jeunesse apprécie ces pratiques, quels sont les effets sociaux de ces pratiques qu'observent les jeunes pendant le mois de Ramadan. Auditeurs et auditrices, le programme des studios Kalangou, c'est pour vous apporter des réponses satisfaisantes à toutes ces interrogations posées et à bien d'autres que nous avons invité avec nous ce soir euh, sur ce plateau, M. Ahmadou euh, Mustafa, qui est président de l'association islamique Fauzia, euh, docteur et prédicateur religieux. Nous avons avec nous également ce soir M. Mohamedou Alassane Bello, qui est ancien délégué général de la CCD au niveau de l'ONU. Nous avons invité également Mademoiselle Mamoudou Hamma Issa Achetou, qui est euh, membre de l'Association africaine pour le changement de mentalité, nous avons invité pour ce forum de ce soir M. Issouf Emoud Moudou, qui est avec nous euh, au téléphone, qui est président de la diaspora occidentale d'Agadez et jeune activiste. Et avec nous également ce soir sur ce plateau, mademoiselle Hussein Lam Kadidjatou, qui est membre de l'ONG Voice of Girls, c'est-à-dire Voix des jeunes filles, une ONG qui milite pour la défense des voix des jeunes filles. Euh, bonsoir, euh, chers invités. Bonsoir. Au Niger, c'est courant de voir les jeunes acheter du sucre et d'autres vivres, souvent pour faire des donations pendant le mois de Ramadan. Et cette pratique de bienfaisance est plus courante chez les jeunes célibataires qui font des actes de bienfaisance à leurs copines ou à leur belle famille, surtout à la veille de fête de Ramadan, où euh, il est courant de voir des jeunes acheter des habits à leurs bien-aimés. Pour commencer l'émission de ce soir, nous allons euh, devoir demander aux jeunes qui sont avec nous ce soir de nous dire comment euh, ils ont accueilli le mois de Ramadan euh, de cette année. Nous avons avec nous au téléphone M. Monsieur Issouf Emoudmoud. Monsieur Issouf, dites-nous quelles sont les conditions dans lesquelles vous avez accueilli le mois de Ramadan cette année. Donc, merci beaucoup. Merci de m'avoir donné la parole. Alors, comme tous les mois de Ramadan passés, cette fois-ci aussi, nous avons accueilli ce mois de Ramadan par des pratiques que nous connaissons les couples, les jeunes célibataires surtout, mhm. euh, font des achats pour euh, donner aux beaux-parents et surtout à la copine. Euh, d'accord, M. Issouf, avant de parler de ces pratiques, c'est-à-dire les conditions socio-climatiques, est-ce que c'est dans des difficultés -ce Quelles sont les conditions sociales dans lesquelles est intervenu ce mois Est-ce qu'il y a chômage Est-ce qu'il y a beaucoup de travaux à faire Ou bien comment vous avez, dans quelles conditions vous vivez ce ramadan e-, Effectivement, vous, comme vous le savez, avec cette situation de pandémie, c'est mhm. très difficile de nos jours au niveau des jeunes parce qu'il y a le chômage. Ça s'est accentué et avant même la Covid, les jeunes n'arrivent pas à s'en sortir. Mhm. Mais quand même, malgré tout, on, a tenu le coup et on a fait comme d'habitude. Donc merci M. Issouf pour euh, cette précision. Nous allons écouter M. Mahmoud Alassane Berlo, Dites-nous, euh, quel élément d'ajout avez-vous apporté par rapport à ce qui vient de dire M. Issouf euh, Moudour des conditions dans lesquelles est intervenu le mois de Ramadan pour la jeunesse euh, nigérienne cette année Merci pour l'invitation le studio Klangou. Et pour ma part, je dirais que c'est mois, nous l'avions accueilli quand même dans des conditions climatiques un peu difficiles. Mais malgré tout cela, quand même, on tient les coups et aussi avec quelques difficultés sociales lié comme l'a si bien dit, au chômage et surtout à la question de la crise sanitaire que nous connaissons tous. D'accord, merci bien, monsieur Mamadou la Nous allons euh, poursuivre. Nous avons avec nous sur ce plateau ce soir euh, mademoiselle euh, Hussein qui est euh, membre de l'ONG Voice of Girls, la voix des jeunes filles. Dites-nous, mademoiselle Hussein Lamokadijatou quelles sont les conditions pour vous, les jeunes filles, dans lesquelles est intervenu ce mois de Ramadan Merci mais mes deux confrères ont déjà un peu dit. Mhm. Et avec euh, le, Covid qui est là, les jeunes, les activités sont restreintes. Mhm. Et avec les conditions climatiques, c'est du ouf. Nous avons avec nous également ce soir Mamoudou Hama Issa Aïchatou. Donc dites-nous euh, pour vous quelles sont les conditions dans lesquelles vous accueillez le mois de Ramadan. D'accord, merci pour la parole donnée. Mhm. Et avant d'énumérer les conditions dans lesquelles on a commencer le mois de Ramadan, permettez-moi tout d'abord de remercier le studio Kalangu au nom de l'Association africaine pour le changement de mentalité et à mon nom propre pour vraiment cet espace donné pour nous faire prononcer par rapport à cette thématique combien de fois importante. Mm. Et on a accueilli le mois de Ramadan dans des conditions vraiment pas faciles. Je joins ma voix à celle de mes prédécesseurs pour dire que, comme l'avait dit... Euh, Monsieur Mamadou, on a accueilli le mois de Ramadan dans des conditions de crise sanitaire. Mhm. Ça n'a pas été facile. La pandémie a joué son rôle pour vraiment impacter le chômage mhm. davantage. Mhm. Et aussi, il y a le, climat qui est là. Il fait excessivement chaud, comme elle l'a dit, à 43 degrés à l'ombre, c'est pas du tout facile avec les tâches ménagères qu'on a à accomplir. Nous sommes dans une du tout Canicule. Oui, vraiment. Et puis le mois de Ramadan a commencé et presque dans la moitié du mois, mhm. le 13 c'est pas du tout facile. Les salaires, on a déjà avancé et tout. qui représente pour vous euh, le fait euh, de, recevoir des bienfaits du sucre ou bien euh, le fait de donner, d'apporter du sucre chez Qu'est-ce que cette pratique représente pour les jeunes euh, C'est juste une pratique symbolique, si je peux le dire. C'est hein symbolique parce que ça n'a pas été prescrit dans la religion. Il n'y a aucun verset ni vraiment à hadith qui le prescrit. Je parle sous le contrôle du leader religieux qui est là ici présent. <laughs> Donc ça n'a pas été prescrit par la religion. C'est-à-dire que le don de sucre là ne pousse pas sa source dans la religion. C'est juste des pratiques culturelles euh, c'est juste des pratiques culturelles. Ça ne puisse pas, euh, c'est source de la religion. Donc on ne peut pas, c'est pas une obligation. C'est pas une obligation. Est-ce que c'est très important ou bien euh, qu'est-ce que ça a comme effet pour vous, les jeunes filles Comment vous considérez cela euh, C'est très important. Moi, en tout cas, de prime abord, c'est très important. C'est très important parce que c'est en quelque sorte l'intention du monsieur qui est déguisé. Parce que si un monsieur te t'offre, n'est-ce pas, du sucre, ça veut dire qu'il a l'intention de te prendre comme épouse. Mhm. C'est-à-dire que l'intention est déguisée à ce niveau. Et puis, si on ne reçoit pas ce sucre, on se voit comme si on est dénigré, on n'a pas de la valeur à ses yeux, on n'a aucune importance à ce niveau, surtout quand tes autres camarades reçoivent et que toi, tu n'arrives pas à percevoir pour toi. Et nous allons écouter à présent euh, mademoiselle Ousseinila Mokadidatou, qui est membre de l'ONG Voice of Girl, la voix des jeunes filles, une ONG qui milite pour la défense des voix des jeunes filles euh, ici au Niger. Mademoiselle, après avoir écouté votre euh, ami Mahmoudou Hama Issa et Dites-nous, quelle pensée avez-vous par rapport à cette question des pratiques qui se font pendant le mois de Ramadan Qu'est-ce que cela représente pour vous, les jeunes filles Et quand même, pour moi, personnellement, je dirais que c'est un cadeau juste comme toutes les autres. M'offrir un cadeau dans le mois de Karim. Mhm. Et après le mois de Karim, c'est la même chose. Mhm. Mais cette année, en fait, ça n'a pas sa raison d'être. Et le mois de Karim de cette année, si je peux me permettre de le dire, est vraiment différent des autres, mhm. des années antérieures, vu les conditions financières d'abord mhm. et surtout économiques. Avec la crise, comme on est, on est cesserait de le dire, mhm. vu qu'on le vit maintenant, et les, les conditions financières, les moins les moins des, des, des, gens sont réduits. Avec, parce que nous, jeunes activistes, c'est à travers les activités que nous arrivons à remplir nos poches, si je peux bien me permettre de le dire. Mhm. Là, avec le Covid, les activités sont réduites, il n'y a pas assez d'activités. Voilà. Et le ramadan est venu dans un moment où c'est presque... Le 13 du mois, là, ça va pas. Donc pour, vous, donc pour vous, cette année, vraiment... Euh, ça n'a vraiment pas sa raison d'être. Mhm. Et le comme c'est que ça prend de l'ampleur. Et nous, jeunes, ça nous pousse à faire du, du n'importe quoi, si je peux me permettre de le dire. Mhm. Mon gars, je lui dit, il faut qu'il m'offre du sucre. Il faut qu'il m'offre mon habillement de fête. S'il n'a pas les moyens, il doit tricher pour que je, je, reste avec lui parce qu'il s'est dit que on a l'habitude de voir des relations qui, qui, qui prennent fin juste à cause de ces cadeaux. Nous allons venir à la question des effets de toutes ces pratiques, c'est que ça comme effet sur le plan relationnel. Mais avant, euh, bien avant, nous allons écouter avec nous M. Euh, monsieur Mahmoud Alassane Bello. Dites-nous, euh, pour vous, les jeunes garçons, les jeunes célibataires, disons, qu'est-ce que cela représente pour vous Il y a des pratiques que vous faites pendant ce mois de Ramadan et pourquoi Qu'est-ce qui justifie Quelle est l'origine de ces pratiques Merci euh, pour la question posée. Euh, moi, de mon point de vue, je crois que, comme beaucoup l'ont dit ici, en fait, c'est une pratique euh, qui est là en train de prendre de l'ampleur. mais dans cette pratique, c'est qu'il y a des avantages comme inconvénients dedans. Et c'est quoi l'avantage C'est que ça symbolise effectivement la relation. Par exemple, le fait que vous amener du sucre chez la fille, ça prouve euh, à suffisance que vous êtes prêt pour la prendre en mariage. Mais aussi, c'est que l'inconvénient aujourd'hui, euh, il y a une sorte de discrépance euh, sur ce plan-là parce que il y a certains jeunes garçons qui se poussent à faire ce genre d'actes alors qu'ils n'ont pas les moyens nécessaires pour les faire. Et, nous avons un autre invité qui est avec nous au téléphone avant de revenir à notre prédicateur, M. Monsieur Dr Mustapha Ahmadou, prédicateur Issoufemoud. Emoud. Dites-nous quelle perception vous avez-vous de ces cadeaux qui se font pendant le mois de Ramadan et, qui se font par les jeunes célibataires particulièrement En tout cas, moi, je les considère comme une preuve d'amour. Et pour ce qui est de son origine, je pense qu'on peut la relier à l'origine de la, de la générosité. Mhm. Parce que dans un couple, on sait la place que tient la générosité. Mhm. Et comme disait un notaire, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Moi, pour moi, c'est une pratique vraiment qu'on peut encourager, mais quand même, il y a des inconvénients et on va en parler. Nous allons écouter euh, Docteur Docteur Mustapha Ahmadou, prédicateur religieux, qui est avec nous, président de l'association Fauzia, pour qu'il nous dise euh, comment ces pratiques se faisaient d'antan et euh, quelle est aujourd'hui, comment ça... Est-ce qu'il y a un changement ou bien ces pratiques, il y a longtemps, ça existait et quel est leur fondement. Merci, M. Al-Mustafa. Je crois que ces pratiques, euh, nous les avons tous trouvées. Je dirais que, euh, comme on peut les penser, mm-hmm. n'ont pas implicitement euh, une origine religieuse, de la mesure où mm-hmm. il n'y a aucun verset qui est venu pour instituer cela, c'est mm-hmm. sur qui que ce soit mais il y a certaines traditions qui ne gênent pas, par exemple, la foi islamique. Donc, euh, euh, l'islam ferme les yeux devant ça. Donc, l'islam ne dit pas, n'interdit pas, n'empêche pas. En fait, il ne commente pas cela. Mhm. Et vous savez, dans, dans, dans les temps, c'est qu'il y a la pideur mhm. au niveau de la société mhm. musulmane, euh, surtout. Il y a la pudeur, par exemple, les jeunes s'aiment, mais ne savent pas comment ils vont manifester cela. Et donc, à la pudeur, il est interdit à une jeune fille de dire à sa, maman que c'est lui que vous voyez là en train de venir, voilà son intention. Non, mm. ça ne se fait pas abruptement comme ça. Mm-hmm. Donc, euh, c'est un moyen mm-hmm. pour elle, n'est-ce pas, de les demander. Parce que ce sont des jeunes filles qui demandaient. Ce n'est même pas quelque chose qui vient de lui-même. Mm-hmm. Ça peut venir de, de l'homme, des garçons. Ça peut aussi venir de la fille. C'est-à-dire pour qu'il puisse vraiment être libéré du point de vue ou bien auprès de ses parents, mm-hmm. que ses parents la sachent que voilà les, garçons dont elle, le, vise ou bien qui la prétendent, mm-hmm. n'est-ce pas oh, Donc, elle peut lui dire que de faire un geste qui va amener les parents à comprendre. Mm-hmm. Donc, dans l'ancien temps, les gens font, font cela euh, comme ça. C'est une, une situation culturelle de tradition, mais qui qui, qui, qui, cadre avec certains de nos coutumes religieuses. notamment l'islam. L'islam. Voilà, merci bien, monsieur docteur Mustafa Ahmadou, euh, prédicateur religieux, euh, président de l'association Fauzia, association islamique Fauzia. Nous allons revenir avec les jeunes qui sont avec nous après avoir écouté docteur Mustapha. Dites-nous, est-ce qu'aujourd'hui euh, ces mêmes pratiques se font de la même manière ou bien aujourd'hui, même entre deux couples qui ne prétendent pas se marier, il y a ce genre de dons ou bien est-ce qu'il y a une évolution euh, du point de vue de cette pratique. Nous allons commencer par écouter Madame Ousseini candidate qui est euh, membre de l'ONG Voice of Girls. Et pour ta question, je dirais oui. Mhm. Il y a vraiment des couples qui ne qui, sont pas prêts mhm. pour le mariage, mais qui, je ne sais même pas pourquoi, ils s'offrent le, sucre. Et surtout, mhm. moins le sucre. Mais l'habillement de fête, ils le font. Nous allons écouter Aïchetou. Aïchetou, dites-nous, euh, du point de vue aujourd'hui relationnel, est-ce qu'il y a une évolution Est-ce que euh, les mêmes choses se font Est-ce que euh, les choses se poursuivent de la même manière que d'antan, comme on l'a si bien écouté avec le docteur Mustapha Ahmadou, qui est prédicateur religieux La pratique du don de sucre, et ces années, ça à changer, mhm. d'après ce que moi j'ai remarqué. Parce que avant peut-être c'est seulement donner le sucre à la belle famille, à la fille, d'accord. Mais maintenant, à part le sucre, le c'est accompagné d'une grosse somme d'argent. Ils, vont dire ça c'est pour l'habillement de la fête, tout ça. Alors qu'auparavant, c'est juste le sucre on donne et puis c'est juste le, c'est juste le geste qui compte, c'est, juste symbolique. Mm-hmm. C'est pas c'est pas quelque chose de grandiose. Oui, mhm. c'est pas la quantité qui compte. Mais maintenant, tu vas voir un gars qui s'en sort à peine. Il va te débloquer une somme de 100 000 pour te dire que c'est, c'est pour ton habillement de fête, des cartons, des cartons de sucre, juste pour se faire remarquer. Même s'il n'aime pas la fille, il va se faire remarquer par la belle famille. Maintenant, ils vont, la belle famille aussi va poser un œil sur ce, sur ce tome-là et va attendre dans, dans, un proche délai, dans un délai record, quoi, que le mariage va vite se célébrer alors que c'est pas ça. Hmm, donc euh, il y a eu vraiment des changements, ce n'est pas, seulement pour des bonnes intentions. Ce n'est pas seulement pour des bonnes intentions. Et à présent, Maman de la Bello, dites-nous, euh, selon vous, est-ce que euh, c'est toujours. Qu'est-ce qu'il y a comme changement dans ces pratiques merci, je crois que je vais me lancer dans le même ordre du Dieu que euh, je crois qu'aujourd'hui, euh, la situation est en train de changer en fonction des temps et en fonction effectivement des réalités sociétales. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, on a dit au c'est une monade, c'est comme une porte, c'est comme une maison sans porte et sans fenêtre. On ne sait pas effectivement ce qui s'y trouve. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il y a certaines personnes qui peuvent avoir l'idée de pouvoir amener le sucre et autres, mais en réalité, ces personnes ne sont pas prêtes et ne sont pas sérieusement là pour prendre la vie en mariage. Ce n'est qu'une question de tromperie. Et c'est là, c'est la société qui l'impose quelque part parce que, euh, comme vous le savez, la société d'aujourd'hui, nous se faisons face à une société où euh, il y a moins de sérieuxité dans nos actes euh, parce que tout simplement pour tromper les gens, pour tromper la famille, tu vas dire que bon, je vais symboliser notre relation, mais qu'en réalité, on n'est pas prêt pour le faire. Nous allons écouter Issouf Moudour et Moud qui est avec nous au téléphone en ligne, qui est président de la diaspora studentine au niveau d'Agadez. souffre. dites-nous, euh, vous avez dit que c'est une preuve d'amour le fait de faire des dons de sucre pendant ce mois de Ramadan. Est-ce que, selon vous, euh, ces dons se fait avec seulement de bonnes intentions, comme c'est le cas d'antan euh, dans la société avant euh, cette période comme ça se faisait euh, cette pratique avec les aînés, ou bien à présent il y a des changements qui peuvent être constatés au niveau des jeunes Bon, les bonnes intentions existent toujours. Et ça va toujours exister encore des, célibataires qui sont sérieux avec leurs copines mhm. et le font pour symboliser leur amour. Mhm. Mais par contre, il existe des célibataires qui ont plusieurs copines. Mhm. Et là, pour ne pas rompre, comme l'a dit Aïchetou, le fait de ne pas amener les filtres peut impacter la relation. Et tu vas voir un jeune qui va se débrouiller pour amener, pour amener les filtres à trois endroits. Et dans ces trois endroits, là où il est sérieux, c'est-à-dire celle qu'on appelle la titulaire, et les deux autres endroits, vraiment, elle n'est pas signée, c'est juste pour garder la fille avec lui. Mais pourquoi avoir cette intention de garder la fille alors qu'il n'y a pas de bonnes intentions Et ça, c'est l'infidélité de l'homme. Et vous le savez mieux que moi. Il y a mhm. beaucoup d'hommes qui sont avec deux, trois femmes, des célibataires même. Et il y a des hommes mariés aussi qui ont d'autres copines et maîtresses et ils amènent du sucre. Avant, la fille reçoit un seul don du sucre et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Je pense que les filles vont nous, vont nous dire tout à l'heure il y a des filles qui reçoivent jusqu'à 4 dons du sucre venant de 4 garçons. Qu'est-ce qui prouve ça alors Donc, euh, je pense que. Donc, vous voulez dire que de la même manière que les garçons amènent du sucre à plusieurs endroits, il y a aujourd'hui des filles également qui reçoivent du sucre de plusieurs endroits. Effectivement, effectivement. D'accord, monsieur Youssouf euh, Emoud Moudou, nous sommes avec euh, des demoiselles qui sont ici sur le plateau avec nous. Nous allons écouter mademoiselle Ouseni, euh, Ouseni Kadijatou, dites-nous, est-ce que c'est le cas aujourd'hui Il y a des filles qui reçoivent euh, plusieurs dons de sucre, alors que normalement, selon la pratique, on doit recevoir dons de sucre que d'un seul prétendant qui euh, prétend nous prendre en mariage. Bon, c'est pas notre faute, hein. c'est vous, vous avez commencé, non Donc, on ne peut que suivre. Et c'est comme il l'a dit tout à l'heure, actuellement, on n'est que des faux. La fille, c'est comme l'a dit Tout le gars prétend aimer la fille, mm-hmm. mais au fond de lui, c'est pas le cas. Et la fille aussi, elle va jouer son, sa, petite maligne. Mhm. de, elle est là aujourd'hui, demain elle est avec l'autre. Donc, si toi tu demandes, tu lui dis tu vas amener du sucre, elle peut pas te dire non parce que tu, vas aussi savoir que elle soit pas avec toi seule. Donc, elle ne peut que accepter le nombre de personnes. Nous allons poursuivre nos échanges euh, par rapport à cette question des pratiques sur les dons euh, de sucre. Achète, dites-nous un mot par rapport à ce que vient de dire Issouf euh, Emoud qui dit que les filles reçoivent plusieurs cadeaux. Est-ce que selon vous, euh, c'est normal ou bien qu'est-ce qui peut justifier cela D'accord. Et le don, de manière générale, si on définit le don, c'est vraiment un acte volontaire qui renforce l'amour entre, mhm. n'est-ce pas, le donateur et le bénéficiaire. Mhm. Donc, le fait de donner du sucre à sa copine ou bien à son copain, des vivres, de tout ça, mhm. c'est pas, c'est pas, c'est pas quelque chose de mauvais. C'est juste euh, une manière de renforcer les, relations. les relations davantage. Mhm. Voilà. Et maintenant, si c'est le cas, c'est les hommes qui ont commencé. Mhm. Ils amènent du sucre, des vivres, de, je ne sais pas comment l'expliquer quoi, mhm. à, plusieurs filles. Et les filles, nous, déjà, on est nombreuses. Est-ce que nous, on a le choix On n'a pas le choix que d'accepter. Je, je, me rappelle, j'ai vu une publication qui dit Toi qui joues au loto, c'est toi qui joues avec un seul numéro, ça ne se fait pas peut-être que ce que l'autre là va t'amener, l'autre va t'amener plus. Bon, c'est pas c'est pas ça qui compte, mais mhm. quand même, c'est pas à rejeter. On ne rejette pas, on prend. <laughs> D'accord, vous ne rejetez pas, vous recevez les dons euh, que vous offrent les jeunes garçons pendant ce mois de Ramadan. Nous allons écouter un petit son, un petit vox pop euh, dans lequel des jeunes parlent de ces pratiques de dons de sucre et euh, de réception euh, des cadeaux pendant le mois de Ramadan. J'ai amené le sucre à ma fiancée. C'est devenu une tradition pour nous. Elle comprendra que j'ai de l'amour sincère envers elle. Vis-à-vis également des parents. Notre relation sera sérieuse et considérée. C'est une tradition pour nous. On doit la respecter. J'ai reçu du sucre de la part de mon fiancé. C'est un geste symbolique pour moi. Ça fait du bien quand même de recevoir ces genre de gestes de la part de son fiancé. C'est une considération. Les avantages, c'est surtout le fait de renforcer ces liens-là qui existent déjà. Maintenant, l'inconvénient, ça ne manque pas. Parce que c'est ce qu'on peut faire en sorte qu'une relation amoureuse se disloque, disloquée entre griffes. Par exemple, lorsque la fille s'attend à recevoir le sucre et que ce n'est pas venu, ça peut être un problème entre euh, la jeune fille et le jeune garçon. Un autre inconvénient, lorsque la jeune fille a une amie qui a reçu le sucre et qu'elle, elle, elle n'en a pas reçu, ça peut aussi être un inconvénient. Alors merci mesdames, messieurs, vous venez d'écouter des jeunes Nigériens euh, qui ont donné leur point de vue par rapport à ces pratiques qui s'observent pendant le mois de Ramadan, des dons de sucre et après les avoir euh, écoutés, nous avons tout comme compris que ces pratiques ont des impacts, ont des effets sur les relations sociales, sur les relations entre couples, ça même euh, amène jusqu'aux ruptures de certaines relations. Est-ce que vous pensez que ces effets, que pensez-vous des effets ces différentes pratiques sur le plan relationnel. Nous allons écouter euh, M. Mahmoud Alassane Bello. Dites-nous quel est votre point de vue par rapport aux effets de ces différentes pratiques qu'on observe pendant le mois de Ramadan. Voilà, merci. En tout cas, euh, a priori, euh, il y a quand même une multitude de faits par rapport à ce phénomène. D'abord, aujourd'hui, comme je le disais en amont, nous faisons face à une société où euh, les gens préfèrent mentir que de dire la vérité. Et cela entraîne <clears throat> effectivement des anomalies dans une relation. Aujourd'hui, ce que les filles doivent comprendre, aujourd'hui, l'homme, c'est un plaisir pour lui et un honneur de pouvoir donner un cadeau à la fille qu'il aime. Mais cela, effectivement, euh, ne ne, ne doit pas en fait constituer une entrave la bonne marche des relations lorsque le gars en question se trouve un jour à euh, mesure de ne pas répondre aux exigences parce que ça devient de plus en plus une exigence du moment où euh, si tu n'arrives pas à donner ça, ça peut créer, ça peut impacter, ça peut rompre la relation. Et aujourd'hui, c'est pas sérieux de la part de ses filles là lorsque vous allez recevoir ces cadeaux euh, avec plusieurs garçons. La fille ne doit pas prendre jusqu'à 4 cadeaux en sachant pertinemment que si aujourd'hui un homme, la plupart des hommes, s'ils amènent ce genre de cadeaux, c'est effectivement pour symboliser leur présence et faire comprendre à la famille de la fille qu'ils sont là pour la prendre en mariage. Mais si déjà la fille prend jusqu'à 4 là, je crois que déjà elle a introduit un caractère euh, qui ne correspond pas au caractère sérieux d'une relation. Le second effet, c'est qu'aujourd'hui, si la fille s'entête à ce qu'elle ait du sucre et que son gars et que son, son, son, mec n'a pas effectivement les moyens nécessaires pour l'amener du sucre, c'est comme si elle va le pousser à pouvoir agir autrement parce qu'il risquerait d'aller voler et même euh, faire des pratiques malsaines. Nous allons poursuivre nos échanges, nous allons écouter votre point de vue à Chatou. Quel est aujourd'hui l'impact euh, de ces différentes pratiques qu'on observe avec les jeunes après avoir écouté l'audio et aussi ce que vient de dire M. Mohamed Alassane Bellou. dites-nous quel est selon vous l'effet de ces différentes pratiques pour les jeunes Le fait du don de sucre ou bien d'habits de fête pour la fille a des conséquences. Ça a des conséquences parce que si on prend et on dit le mois de Ramadan, c'est un mois c'est une période pendant laquelle on doit multiplier les bonnes œuvres. Mhm. C'est un mois de charité, de bonnes œuvres, de de douceur, tout ça. Donc c'est un mois pendant lequel on doit multiplier les bonnes œuvres pour avoir des récompenses, tout ça. Alors, et ça, ça peut mener le couple à rompre, à observer des pauses. Parce qu'il y, y, a des copains qui fuient avant le mois de Ramadan pour revenir après. Ça, c'est une pause. Ils observent une pause juste pour le mois de Ramadan, alors que ça ne devrait pas être le cas. il faut être franc. Il faut dire la vérité à la fille. Ce n'est pas une obligation parce que ça n'a pas été prescrit par la religion. Donc, tout ce qui n'est pas prescrit par la religion, pour moi, ne doit pas être, ne doit pas être un inconvénient dans le couple. Mhm. C'est Le couple, c'est une compréhension mutuelle entre les deux. On doit se comprendre, on doit s'entraider, tout ça. Mais quand même, il ne faut pas, il ne faut pas fuir. C'est, une preuve d'irresponsabilité. C'est une preuve d'irresponsabilité. Il ne faut pas essayer de fuir à cause du mois de Ramadan. Observer des pauses, des ruptures. Et chez la jeune fille aussi, il y a des familles, je ne sais pas comment qualifier ces familles-là. C'est des familles tellement matérialistes qui poussent la fille à avoir coûte que coûte ce cadeau-là. Il faut tout faire pour avoir ce cadeau. Voilà la fille d'un tel là. Elle a reçu le cadeau. Est-ce qu'elle est plus que toi Tu vas te faire des idées pour rien du tout. Ils vont te pousser jusqu'à ce que toi, tu vas vraiment, comment dirais-je, tu vas prendre la chose dans la tangente, quoi, pas dans le bon, sens. Voilà. Et il y a des familles comme je le disais, il y a aussi le regard de la société. La société aussi vraiment a impact sur, sur ce don-là. Mhm. Parce que tu es là, on te voit à chaque fois avec un garçon. Il vient à la maison, il te cause. Et le mois de Ramadan vient, il n'y a rien. Donc la société aussi a un mot à dire. Parce que la société a toujours quelque chose à dire sur tout ce que nous faisons, surtout les jeunes filles. Merci bien, mademoiselle Achetou euh, Hama Issa. Nous allons écouter avec nous au téléphone avant de revenir à mademoiselle Ouseni, euh, Nous avons avec nous au téléphone M. Issouf Emoud Moudour, qui est président de l'association de la diaspora euh, estudiantine au niveau d'Agadez. Dites-nous, M. Issouf, que pensez-vous de ces différents effets, de l'impact de ces relations, de l'impact de ces pratiques de don de sucre qui s'observent pendant le mois de Ramadan En tout cas, ça a des conséquences sociales négatives parce que ça a tendance à devenir une obligation. Mhm. Il faut forcément le faire. Or, la fille, sans tenir compte de la situation financière de, de son copain, elle va imposer à son copain de le faire. Et ce dernier, s'il n'a pas les moyens de le faire, souvent, il s'éclipse pendant un moment. Et même s'il ne tout pas, la fille va garder ça en elle. Ça va devenir comme une vingtaine. Les autres filles ont fait, ont eu de leur copain. Elle, elle n'a pas réussi. Mhm. Et du coup, ça commence à affecter leur relation et ça peut même euh, mettre fin à cette relation. Et d'un autre côté, il y a des parents qui laissent la charge de leur fille à des garçons. C'est-à-dire, si tu as un copain reconnu à la maison, les parents, même si tu as 15 ans, 16 ans, ils vont te dire, vas-y, ton copain va te faire des, des habits de fête et tout ça. Mhm. Et la fille, du coup, toute son intention va se reposer sur les garçons. C'est forcément ces garçons qui doivent lui faire les avis de la fête. Parce que de l'autre côté, les, parents n'arrivent pas à assumer leur rôle. Et tu vois, tout ça, ça va amener la fille dans une situation où si les garçons n'arrivent pas à le faire, elle va commencer à s'en vouloir à ses garçons. Raison pour laquelle ça, ça a vraiment des conséquences sociales négatives parce que mmh. c'est pas chacun qui peut faire, D'accord, merci bien, Monsieur Soufemoud Moudour, euh, par rapport à votre point de vue que vous venez de nous donner sur cette question des pratiques qui s'observent pendant le mois de Ramadan et qui ont, euh, selon vous, euh, des effets négatifs sur le plan relationnel, sur le plan social. Nous allons, avant de venir au docteur Ahmadou Mustafa, euh, demander à Ousseini Kadijatou de nous dire quel est son point de vue par rapport à l'effet de ces différentes pratiques et particulièrement par rapport à l'achat d'habits de fête parce que présentement, nous allons dans un temps proche aller vers la fête et c'est le moment pendant lequel les jeunes, beaucoup, se débrouillent à chercher des habits de fête pour leurs copines. Quel est selon vous euh, l'effet de ces différentes pratiques sur les relations et Pour moi, je dirais que l'effet, elle est vraiment négatif. Mhm. Parce que, et c'est surtout influencé par le social. Moi, je me dis que c'est un peu un problème entre le couple. Moi et mon copain, on doit se comprendre sur le fait que s'il il a quelque chose, il va me l'offrir. S'il n'y n'a pas, je dois comprendre. Mais là, c'est pas moi le problème. Mais c'est la société. C'est comme l'a dit tout à l'heure. On va dire, ah, dans le quartier, elle est tout le temps avec ce mec, mais... Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et il y a aussi d'autres parents, je ne sais même pas de quoi les qualifier. Mhm. On se permet de se dire, ah, tu, de chaque jour avec ce gars, mais il peut même pas te faire ton habillement de fête. Mais chose qui n'est pas normale. Quand la population te pousse, tu vas aussi influencer ton gars. Tu mhm. sera obligé de soit voler, tricher, Merci bien, madame, mademoiselle euh, Ousseni euh, tout. Nous allons écouter le euh, docteur Mustapha Ahmadou, qui est prédicateur religieux, président de l'association Fauzia. Dites-nous, après avoir écouté ces jeunes euh, par rapport à ces différentes pratiques qu'on observe pendant le mois de Ramadan, don de sucre, achat d'habits de fête, euh, les effets de ces différentes pratiques sur le plan relationnel, quels conseils avez-vous à l'endroit de ces jeunes et selon vous, comment il faudrait faire pour euh, créer les conditions euh, de réduire les effets négatifs de ces différentes pratiques euh, pour les jeunes et pour la société. Oui, vous savez, les uns et les autres ont dit que c'est vraiment social, mhm. purement social, parce que s'il faut matérialiser une relation, mhm. or ici, c'est pas une seule fois, c'est-à-dire, mhm. bon, ah, j'estime que c'est à chaque euh, mois de, Ramadan. qu'il faut répéter les mêmes gestes. Mhm. Là, ça, ça, devient autre chose. Donc, euh, si c'est une déclaration, si c'est en guise de déclaration mhm. en mariage, mhm. ça, on connaît comment ça se passe. Et on le fait une seule fois. Il y a d'autres, c'est juste quelque chose qu'on, quand on va regarder la fille, on va toujours le voir. Et on va savoir que cette fille-là, elle est réservée. À un tel. c'est dans ce sens que les gens euh, de l'ancien temps le font. Maintenant, c'est devenu autre chose parce que c'est vraiment le C'est plus le C'est parce que, bon, euh, c'est même une compétition. Tu as vu ce que mon, mon, copain a fait, ou bien une telle n'a pas eu ses privilèges, ou ceci. Donc, euh, ça n'a aucune espèce d'importance. C'est vraiment social et c'est même euh, comportemental. C'est ça dépend de la mentalité de quelqu'un. Mais les parents qui devraient peut-être encadrer encadrer ou stabiliser cela, c'est et qui ne font pas bien leur, euh, qui ne jouent pas bien leur rôle. Parce qu'il il faudra, bien qu'ils qu disent à la fille, il faut que vous nous clarifiez. Est-ce que c'est pour de bon Si c'est pour de bon, nous prenons nos dispositions pour qu'on ne voit pas un autre encore amener les choses. Est-ce que vous voyez un peu les choses Ou bien qu'on ne voit pas une autre utilisation. Avant, il n'y a pas beaucoup de filles, donc si tu ne fais pas vite, tu, ne, tu, tu, vas pas te mm. <laughs> tu pas donc <laughs> tu, tu vas vraiment dévancer l'autre. Mm. Donc, vous voyez, avant, il y a des sens. Mm. ce sont des choses qu'on fait et il y a des sens. C'est ainsi que donc, lui met quelque chose, un bracelet ou quelque chose comme ça. Mais là, elle est chez sa grand-mère. Elle ne pas. Oui, elle ne reste pas avec les parents. Chez sa grand-mère. Donc on va la préparer, on va la les, les hangandi qu'on dit en germain, euh, on va vraiment la préparer pour qu'elle devienne une femme, mhm. n'est-ce pas Donc c'est comme ça que ça s'est fait. Mais les cycles d'un seul mois et, et de surcroît un mois où on a demandé même pas les liens de, choses, on a demandé de faire des, des gestes, des gestes de ah, bienfaisance, de bienfaisance des trucs. Mhm. Mais c'est d'y même les, les, les choses. Mhm. Donc c'est pour vous dire que ce sont des choses que les gens font inconsciemment. Il faudra bien séparer une déclaration ou un geste de déclaration de, mariage mhm. ou de, de, de prétendant un mhm. mariage sincère mhm. et l'ostentatoire, les, les les trucs euh, vraiment folkloriques. Folklorique. Donc euh, ici, c'est le mariage, c'est quelque chose de très noble. Et la, les filles, euh, comme vous m'avez demandé de penser donc les filles devraient savoir que elles ont de plus cher, cette beauté-là, cette mm-hmm. là Je vous ai parlé de Adam mm-hmm. qui s'est précipité à prendre vraiment une beauté qui est là, qui est sortie de son corps. Mm-hmm. On a dit non, non, non, c'est pas, pas gratuit. Donc, elles n'ont qu'à vraiment jalousement protéger cela. là elle ne va pas banaliser vraiment leur beauté. Si c'est pour la beauté que l'homme, celui qui fait les gestes-là, les fait, ou bien sa carrière, vraiment sa chasteté, tu mhm. d'une manière générale. Donc, c'est au fil de, protéger ça. Ce n'est pas au plus offrant ou bien à n'importe quel moment on peut venir te donner un cycle pour te détourner ou détourner Non, c'est au fil de s'organiser, de dire qu'il faut les faire une seule fois et c'est en guise de déclaration du mariage et ça s'arrête là. Mhm. Et pas forcément pendant les carême. Sinon, pendant les carême, pendant les choses, avant que tu ne sois chez, chez ton mari, là, mhm c'est sur les parents qui sont obligés de le faire. C'est pas à l'homme d'aller, j'ai entendu c'est vrai, on pousse les gens à aller faire d'autres, d'autres choses. Non, c'est aux parents d'aller, même si c'est pour voler. Mhm. Parce qu'en islam, on dit que la femme et la fille et l'enfant d'une manière générale mhm. n'ont pas à s'occuper de leur vie. Mhm. Surtout du point de vue vestimentaire, du point de vue alimentaire. C'est les filles et la femme ne n'ont pas à se nourrir ou à faire un travail, une pratique pour avoir de quoi se nourrir ou bien subvenir à ces besoins-là, surtout l'habillement et le manger. Hum. D'accord, merci bien, monsieur docteur euh, Mustafa Ahmadou, prédicateur religieux, pour euh, ce conseil commun de fois riche. Nous allons écouter à château dites-nous un mot, nous sommes totalement presque à la fin de notre émission. Dites-nous un mot en guise de conseil, en guise d'appel à l'endroit euh, de vos camarades filles. Et le ramadan, n'est-ce pas, c'est le mois dans lequel les musulmans, n'est-ce pas, accomplissent leur obligations, mmh. accomplissent le quatrième pilier de l'islam, c'est-à-dire après la shahada, les cinq prières quotidiennes et aussi le monde ou la zakat. Mmh. Donc il y a déjà une obligation qu'il y a dans ce mois. Donc je dirais qu'il ne faut pas surcharger le mois à faire à, faire de ces pratiques-là une obligation. Mm-hmm. Il faut vraiment se contenter de ce qu'on a, organiser, se organiser avec, travailler avec ce qu'on a, mm-hmm. avec ses moyens de bord vraiment ne pas, ne pas mettre de la pression sur son gars de faire ceci, de faire cela, de, vraiment arrêter ces choses-là. C'est juste des choses éphémères qui vont passer. Mm-hmm. Avec ou, ou sans son sucre, ou sans son habit, tu manges, tu t'habilles, donc il faut vraiment compter sur ce que tu as et non sur ce que ton gars va t'offrir. D'accord, merci bien mademoiselle Hachette euh, Kadijatou. Quel appelle à vous à lancer à l'endroit de vos amis filles et Je leur dirais vraiment, bon, je mhm. dirais à nous tous, parce que mhm. j'en fais partie, mhm. de vraiment délaisser ces genres de pratiques. Si je peux bien me permettre de le dire, c'est un truc trop traditionnel. C'est bien de faire des cadeaux, mais aussi donner, dans, dans, la limite des, vraiment de ce qu'on a, des moyens. Donc, c'est de vraiment comprendre que c'est un truc que nous devrons, je dirais pas de bannir, mhm. parce que ça n'a pas commencé avec nous, voilà, on peut pas bannir, mais de modérer de savoir comment le faire vraiment. Très bien, merci. Euh, monsieur Mamadou Alassane Ballo, dites-nous un mot, juste un mot. Euh, merci. Euh, moi, je dirais que je, je, voudrais appeler quand même la jeunesse à pouvoir respecter les règles de bonnes conduite dans une société. Mhm. Donc, pour éviter vraiment la déchéance et puis éviter la misère intellectuelle, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, nous faisons face à une société où il y a l'absence de l'éthique D'accord. un appel au respect de l'éthique. D'accord, merci Issouf. Vous êtes avec nous au téléphone depuis, vous avez écouté ces différents intervenants. Dites-nous un mot à titre d'appel à l'endroit de vos amis jeunes euh, pour ces pratiques et euh, qui s'observent pendant le mois de Ramadan. Enfin, moi, je dirais à tous les couples de favoriser les D'accord, donc, Monsieur Staz, euh, Mustapha vous voulait apparemment dire quelque chose. Oui, c'est un mot euh, comme, vous, comme vous l'avez demandé à tout le monde. Mhm. Moi, j'allais conseiller les uns et les autres, les mhm. jeunes euh, prétendants ou les jeunes euh, amoureux, mhm. de s'en servir d'un verset. C'est le verset 21 de Sourate Les Romains, dans lequel Allah a dit, n'est-ce pas Donc, ومن آياته أن خلق baynakum autrement dit Allah a dit dans ces versets et parmi ces signes lui Allah subhanahu wa ta'ala mhm. il a créé de vous et pour vous mhm. des épouses n'est-ce pas pour que vous viviez en tranquillité avec elles mhm. euh, et il a mis les liens de tendresse et de pitié et il a dit vers la fin de ces versets là et donc, il a mis l'affection, si vous voulez, la tendresse ou l'affection, n'est-ce pas, entre vous. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Donc, voilà un peu les choses. Ce que je vais dire ici, et ce que le verset vise ici, c'est que je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, les filles et les garçons n'ont qu'à préserver leur chasteté, leur dignité, en, en faisant ce qu'ils devraient faire juste pour la cause d'amour, l'affection, la pitié. Merci mesdames, messieurs, nous sommes à la fin de notre émission euh, Forum du studio Kalangou qui nous a permis d'échanger sur euh, la question des pratiques qu'on observe pendant le mois de Ramadan. Petit cadeau offert par des jeunes à leur amour durant le mois de Ramadan, origine et difficultés. Nous avons retenu dans ce forum qu'il faudrait créer les conditions de recadrer, de réorganiser ces pratiques afin qu'il n'y ait pas des effets négatifs qu'on observe tels que les ruptures de couple ou bien euh, tels que les impacts euh, négatifs euh, sur le plan social. La société doit accompagner ces jeunes à pouvoir bien organiser ces genres de pratiques qui s'observent pendant le mois de Ramadan et le prédicateur Mustafa a fait surtout un appel à l'endroit de tous ces jeunes de créer les conditions de bien s'organiser afin de faire euh, préserver la dignité, euh, aussi la chasteté, pendant, euh, avec ces pratiques qui, d'antan, ne se faisaient pas avec les mêmes objectifs. En espérant que le forum vous a permis d'avoir des réponses satisfaisantes aux questions que vous vous posez quotidiennement, nous vous disons merci pour votre fidélité au programme du studio Kalangu qui sont diffusés à travers nos 46 radios partenaires et nos 6 télévisions partenaires dont 5 à Niamey et euh, une à Zender. Nous étions dans ce forum en compagnie de monsieur Mustafa Ahmadou, Dr euh, docteur Mustafa Ahmadou qui est prédicateur religieux, euh, président de l'association islamique Fauzia. Nous étions accompagnés de mademoiselle Hussein Mokadidiatou, membre de l'ONG Voice of the Girls, Voix des jeunes filles. Nous étions également avec nous au téléphone, bien sûr, de, monsieur M. Emoud président de la diaspora étudiantine d'Agadez, de M. Mohamedou Alassane Bello, ancien secrétaire, ancien délégué général de la CCD, commission exposée, conférence et débat, et de Mademoiselle Mahmoud Hamma Issa Achatou, membre de l'Association africaine pour le changement de mentalité. Présentation du forum, Bakim Al-Mustafa, et à la régie technique Aminatou Hassan. Euh, nous vous disons merci pour avoir suivi le forum du studio Kalangou. À bientôt pour un autre forum sur les thématiques d'actualité.